Musique et info pour chacun, VOA Afrique. Oh, mon cher ah, pas de ouais. C'est toujours la belle Magne. La force respecte la puissance. C'est pas Acı free. yeah, yeah, yeah. Grafik auf Einzug. mieux le topus. Tout ça créé, le mouvement ça a signé. La fête à danser, et tout le monde est apprécié. Ils ont voulu nous diviser, le couple de Calais-Calais. On ne peut plus reculer. VOA Afrique, la radio de tout le monde. Look at what's the fire, i Cause it go down, go down. Make me go back and make me go back and go Go down. Dance to my DJ, make you move body. Orokotokotokola, so. It's in my torso, it's in my torso, so. DJ, baby, me, do, do, do, do, do, do, do, so. DJ, baby, me, do, DJ,

beauty, my Bella, my band Cinderella, hey eh, Bella, oh Bella, with me is Bella, if you see my Bella, fine passing that Bella. Sempe, them go sempe, if you see my Bella. Sempe, them go sempe got to, you got to know. The way where you find Ain't they make me G so low. Yeah. You got to, you got to know. The way where you find L'actualité au quotidien sur VO Afrique, c'est Le Monde aujourd'hui. À 5h30 et 7h30 GMT, démarrez votre matinée par une bonne dose d'informations crédibles, fiables et objectives. Et rendez-vous le soir à 17h30, 18h30 et 19h30 temps universel pour ne rien manquer des grands sujets du jour. Reportage, analyse, la rédaction de VOA Afrique à Washington et ses correspondants vous informent, vous expliquent et vous font vivre l'actualité en Afrique, aux États-Unis et dans le monde. Politique, économie, société, sport, le monde aujourd'hui, c'est votre édition des formations sur VOA Afrique. À ne pas manquer. Hello everyone. Bonjour tout le monde. The word of the day. Le mot du jour. Own. O-W-N. En français, O-W-N. Avoir, posséder, propre, avouer ou admettre. I'm in my own room. Je suis dans ma propre chambre. Do you own a car? Possédez-vous une voiture? What kind of property do you own? Quelle sorte de propriété avez-vous? Do you own this house? Êtes-vous propriétaire de cette maison? Are you going to own up to the problem? Allez-vous admettre que c'est votre problème? gonna knife for you. I ain't finna choose a side over you. Yeah. If I'm right with you, ain't nothing to provide for you. Ain't nobody in my life like you. Ain't nobody gonna shine like you. Show me my love. might show pack all the dimes there, but I be falling back from all the loose change. I drop the top on that new thing. My chocolate bar, they rock Gucci. Gotta know it's impossible to stop a Lauren. Got the box, I want the new thing. Yeah, she gon' show out, show out before it's for holla, roll out, roll out. Mm, yeah, she gon' show out, show out before you you. Better know that I'm alright for you. Better know that we can live for each other. That don't mean I gotta die for you. Show me my love. Uh, yeah, bring them out, bring them out. Hard to hear too many girls in the house, hey. Eh? Bring them out, bring them out. I started here, but I got the buzz in the cloud, I know. I know, she got it all but got nothing to hold. Every time I saw her, not too many know. She ain't really hard, she act because she hurt, yeah. And I could be your last. Leave the past with your first. Show me Work. my love. Oh God, show me sweet love. Yeah. Show me my love.

Je vais faire l'essentiel pour comprendre comment toi tu m'aimes. J'ai voulu interrompre l'histoire qui s'écrit entre nous. Non mais est-ce que je vois ce que je fais Je devrais t'accepter comme ça. T'es la lumière de ma vie, maman te choisira. Toi qui fais battre mon cœur et l'amour qu'il faut pour moi. T'inquiète pas, ben, on est déjà bien comme ça. Et t'as les on est déjà bien comme ça. T'inquiète pas, ben, on est déjà bien comme ça. Et t'as les bonnes on est déjà bien comme ça.

your gang. Afrique, dites-le à un ami. pour, je n'ai pas réglé mes bails. C'est ce que je dis tous les jours en la prenant par la taille. Tête dans le guidon, m'oblige à rentrer la night. Elle me répond, juste un week-end. sur mon phone, te fais pas un sang d'encre. Focus sur mes notes, des blèmes j'en ai 130. Tu veux rien entendre, tu veux te barrer maintenant. Mais j'ai des sous à faire, baby, j'ai les enfants. que tu m'aides à gérer eh, Ne me prends pas la teuté. Eh. Voyage studio concert, eh. même si pour toi je fais la fête. J'abonne toute la semaine pour t'élever au rang de reine. Tu veux pas te sentir négligé. Elle veut pas des mots d'amour. Elle veut pas de blâme. Elle veut partir loin de tout blabla. Elle veut partir loin de tout. Loin, loin. on y va. Marrakech ou les States, peu importe, c'est toi la chef. Même si tu veux belle rabaisse, t'as le choix. Où est né le désert, sable fin, soleil plein. T'es ma queen, tu le sais, on ne fait qu'un, tu le sais. Je vais pas courir toute ma vie, un moment je vais me poser. Je veux voir grandir ma fille, je veux voir grandir mon fils. Elle veut pas des mots d'amour, elle ne veut pas de blanc. Elle veut partir loin de tout. Loin, Elle veut pas des mots veux pas te blâmer. Elle veut partir loin de tout, loin, loin, loin. Juste un ce que tous les jours en par la taille. dans le à la Elle me répond. À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp plus 1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05 temps universel au plus 1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous tous les jours sur VOA Afrique. VOA Afrique. Bobo Kadibou AB Transport Kinshasa, bébé Transport London, Big Boss. Mazananga Hervegola et Patrick, Oki qui Konka était le formateur de boss. Oui, Baby Black, ni Konka il est boss. Chico Mabele Mame, Élisée Bijou Boma, Gucci Pamala, Doudou Kamalandoa. na te toujours nzokokotaki nga likuka ye eh, biblande mobali ya liboso yaki na nga mobulu nzosala bato ya mokili bazombo na yo te niko papa cristalo pope ringen ntesi le bourgeois combla haïté jefe maseko elin barakuta sokokotaki no ngai bikokai yo nde mobali ya liboso ya vi na ngai mokolo nyonso tosala bato mokili baza komona bikokai lonelasa honorable Fabrice Bébé Jean-Denis nishambala kisineke kapitan mikro reformateur joel eisalambi mobali na ngai mobali na ngai niko pamba directeur mabela mimi chivondo mobali na nga mobali ya karole cikare nyonso balikukulae mokolo mosusu nalobi na bino libanda nakende bongo ata mopepe namoni bato bazotala ah, mitunisi na estangoka bazalaki nekosekanga na mabe oyo ozosalanga nautia chimbulu natali nzoto na nga na miyokeli nde mawa natali kitoko na nga kamwatili naleli nzumba okita pende nanikongai nakoboma moto aletongo Gilbert Waka, Yannick député inoba barate te koponaka ezete kobanaki ponani lisusu nikokaisa ngai natubanga manga kotela ye ipe na benaro inwani naniko nanga te le formateur de bos na lora bumba te o situ botopo na place polo te

bolingo ya nikonkai pardo kotikanga te tuksonde olo yebisa bamasa esika baza ebakekotie betona mama randevo ya bolingo makoya kobondelo pardo kotika te chemin de fere yo obandaki baflamasi bazonga mboka Sarah Domingos. dormo kula na studio. Oh la la la. Come wudu, wudu wudu, ikate tinalito, yeah. Soldier Kimbulu, Gary

Harry Wolf. Mackenzie Poutine. Et maintenant, la pensée du jour sur VOA Afrique. Mieux vaut un vieux lion rassasié au pouvoir qu'un jeune lion affamé. Proverbe africain. C'était la pensée du jour sur VOA Afrique. Sasa kutazeka mzee pa permis, toleka. Maneno J'ai L'endroit Merci. 24 heures sur 24, VOA Afrique. Ton départ m'a coûté la vie. Non, non. Zoni potani oh, bébé, kato susilo, o camion pour mas. Sortez ouais j'ai des bébé, tu joues ma ligne, ça je te donne. Je t'ai vu passer Santé votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé, votre avenir, et tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur VOA Afrique. Chacun, VOA Afrique. VOA Afrique. Deja vu. Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Tes épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Donc que tu vis, tu n'as pas fini d'être épousé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire en l'air. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi toi faut bosser. aux yeux du monde entier, ton doigt ou à péter. keep us no gbọ́ gbọ́ gbọ́ ìwọ ló gbọ́ èèyàn kò gbagidi ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun dàkúnjẹ ń ṣe méje méje èmi yàtọ̀ sáwọn nǹkan kàmi sọ́tọ̀ kàmi sọ́tọ̀ ọ̀jọ̀pọ̀jọ̀bọ̀ ẹgbà lọ́kọ̀ lọ́kọ̀ lọ́kọ̀ tó bá fọ́kọ̀ ṣe náà ẹ̀kọ́ di club ìgò tọ́nà everybody ready for me to fọ́kọ̀ ìdìbọ̀kọ̀. àwọn nìkan ní kò sóṣù àdókòlẹ́tẹ̀ ni wọ́n control anything I want to ẹ̀rù dùn. àwọn nìkan ní kò sóṣù àdókòlẹ́tẹ̀ ni wọ́n control. info pour chacun. VOA Afrique. Tu m'énerves Avec ton histoire que tu racontes, tu sais ma chérie, moi je l'aime, elle m'aime, on s'aime, tu vois. Mais affaire-moi, tu l'as vu où ça, mais affaire-moi, dans quel bail, mais affaire-moi, tu sais je suis bon. Arrigo. Ow! We wanna see Balotelli. Bella Piston Afridi. Ah, le bon mami. Bella Dickene, Shishone, Dickene, Shishone. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Après là, pasión como dites-le à un ami. go.